forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Just do kalau. Kalau district do forum auditeurs, auditrices du studio Kalangou, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du forum du studio Kalangou votre émission quotidienne qui apporte des réponses aux préoccupations des auditeurs sur les questions d'actualité ou de société qu'ils se posent régulièrement. Si vous nous écoutez en ce moment, c'est grâce au réseau des, 20 radios partenaires basés dans tous les chefs-lieux des régions du Niger et dans les localités d'Arlit, de Chirozérine, de Ménissoroa, de Magaria, Tamaské, Bouza, Filengue, Birningaure, Dolbella et Saï. La problématique de l'accès des femmes au foncier par héritage, c'est la thématique autour de laquelle nous débattrons ce soir pendant 45 minutes. L'accès des femmes aux fonciers par héritage demeure une question sensible au Niger. Par exemple, dans une étude de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO sur le droit coutumier au Niger de 2017, il est généralement reconnu à la femme le droit à l'héritage et l'accès à la terre, mais dans la pratique et dans certaines régions, notamment du Niger, la femme ne peut jamais hériter la terre qui est considérée comme un bien commun de la famille. Souvent, le droit coutumier n'est qu'une reconduction des règles énoncées par le Coran et prévoit l'attribution de deux parts aux hommes et une seule part aux femmes. Dans le sud du Niger, les situations sont extrêmement variables. En cas d'abondance de la ressource foncière, les femmes accèdent à la terre et juste de leur héritage foncier, comme par exemple dans certaines zones du département de d'Ottawa. Lorsque la ressource commence à manquer et qu'un contrôle social s'amorce au niveau des exploitations, le réajustement est sensible de la part d'héritage octroyé à la femme. Elle perd progressivement le droit de jure de son héritage. Le droit musulman régit toujours le partage de l'héritage, mais sa part de terre est confiée à ses frères qui la lui rendront en cas de divorce. Certains qualifient cette situation d'inégalité de genre dans les successions ou une discrimination. Dans la première partie donc de ce forum, nous planterons le décor avec un état des lieux sur l'accès à la terre de la femme par héritage. À cet effet, nous verrons l'implication de l'État, le poids de la tradition et bien sûr de la religion, qu'elle soit musulmane ou chrétienne. Dans la deuxième partie, nous parlerons des dispositifs juridiques s'il y en a en matière d'accès des femmes à la terre au Niger par héritage. Et enfin, nous, nous demanderons ce que font les femmes pour accéder comme les hommes aux fonciers par héritage. Et donc, pour en débattre, nous recevons ce soir deux invités. Il s'agit de M. Touré, membre de l'Association islamique du Niger. M. Touré, bonsoir. Bonsoir. Madame Balkissa Diallo, elle est présidente de l'Association des femmes juristes du Niger. Bonsoir, madame. Bonsoir. Et autre invité qui est en ligne, il s'agit de M. Bachir Telfi, il est juriste. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous reçois. À la présentation, fils Adam Sirfou. Je disais plus haut, la question du partage de l'héritage chez nous constitue un vrai problème de société. L'on se base généralement sur les coutumes et sur les religions pour faire le partage de l'héritage, qu'il s'agisse de la terre ou des autres biens. Monsieur Bachir, vous nous écoutez Oui, je vous écoute, madame. Avant de porter votre euh, robe de juriste, euh, nous aimerons savoir ce que vous avez constaté en tant qu'observateur sur ce qui se passe de l'accès à la tête de la femme par héritage de la société nigérienne. Euh, ben, c'est difficile hein, de se départir de sa robe de juriste, mais ce que l'on constate, si vous voulez, madame, sur, sur cette question-là, c'est qu'on reçoit beaucoup de récriminations euh, en tout cas beaucoup d'observations sur le fait que les femmes n'arrivent pas à accéder euh, aux fonciers. Euh, cela est dû certainement à cause du poids de la, tradition ou des traditions arrêtées, puisqu'il y en a plusieurs. Mais juridiquement, en tout cas, il n'y a aucun accès, il n'y a aucun, aucun obstacle à l'accès des femmes aux, aux fonciers. Mais je pense que c'est surtout le, poids des traditions, des hein, traditions millénaires en total, qui fait que euh, les femmes ont un réel problème d'accès au, foncier, surtout le, foncier rural. Mhm. Alors, euh, je reviens ici dans le studio. Monsieur Touré, euh, que dit l'islam sur l'héritage de la terre Est-ce que la femme a vraiment une part dans le partage de la terre Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, Seigneur de l'univers par essence et par excellence nous louons, euh, nous prions sur notre bien-aimé prophète Mohamed paix salut sur lui. Euh, comme vous l'avez dit, en islam, la question de partage d'héritage a été instruite par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas le musulman, mais ce qui a été instruit. D'où Allah dit dans coran وللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كسر نصوبا مف... نصيبا مفروضا Il sera attribué aux héritiers mâles une part de ce qu'ont ont laissé leurs parents et leurs proches. Il en sera de même pour les femmes auxquelles on attribuera une part de succession laissée par leurs parents et proches. Donc c'est clair. Partant de là, tout ce que les parents laissent comme héritage, on n'a pas dit les hommes seulement, c'est pour les hommes et pour les femmes. Mm. Et donc en termes de modalité, quelle est la part de la femme la part de la femme, comme Allah dit, Yusikumullah fi awladikum les Voilà ce que Allah vous a prescrit concernant l'héritage de vos enfants. Un garçon aura la part de deux filles. Cela veut dire l'homme prendra deux et la femme une. Donc cela veut dire que maintenant, si vous avez au moins, il suffit vraiment de diviser et vous serez ce que la femme. Donc la femme n'a pas été lésée en quelque sorte. On reviendra là-dessus. Pour vraiment, ce qui c'est vraiment les gens sont de, de, le faire sur le foncier, on en verra, et on va passer sûrement, c'est la culture et la tradition qui rentrent, mais ce n'est pas l'islam. Euh, ici, nous avons Madame euh, Balkissa, qui est présidente euh, de l'Association des femmes juristes. Alors, Madame, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez des règles coutumières ou religieuses qui excluent la femme, de, qui donnent une part, comment la moitié de l'héritage à la femme Tiens, merci. ce que je pense, c'est que le Niger étant un pays musulman, le problème de l'héritage à notre niveau ne se pose pas en termes de une part pour l'homme, deux parts pour la femme. Ce que nous souhaiterions, nous, c'est que la femme ait sa part d'héritage comme l'a prescrit notre Saint-Coran. On a toujours insisté là-dessus pour que cela soit fait. Malheureusement, dans les faits, je pense que le marabout en face de moi pourra le dire, c'est que c'est dans l'application même des préceptes de l'islam que la femme est lésée souvent. Quand la veuve, elle perd son mari, généralement c'est les parents du mari qui s'accaparent des biens de leurs parents et la femme, elle y est même exclue. Quand c'est la fille qui perd son père, les frères décident de s'accaparer des biens laissés par le père et la femme n'en bénéficie pas. Nous avons été longtemps lésés par rapport à cette situation. Mm-hmm. Maintenant, on souhaiterait quand même que les choses soient appliquées telles que l'a prescrit l'islam. Ça sera déjà un point de gagner pour nous, les femmes, plutôt que la situation que nous vivons actuellement. Monsieur Bachir, vous nous écoutez toujours, vous êtes en ligne. Euh, vous, venez d'écouter l'intervention des deux invités. Alors, euh, dites-nous, en tant que juriste, euh, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire le docteur Touré sur les règles religieuses qui attribuent les deux parts aux hommes et une part à la femme Qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain <coughs> ben, Concrètement sur le terrain, je, ne sais pas. Je ne suis pas dans une association islamique ou dans dans un tribunal. Euh, je suis enseignant-chercheur à l'université. Mais ce qu'a dit euh, docteur Touré, que, je connais très bien, c'est effectivement cela. Il n'y a pas été fait de distinction dans la parole coranique entre euh, les biens à partager. On a seulement dit les modalités du partage. Donc tout bien laissé par euh, les auteurs, donc des les héritiers, sera partagé selon des modalités qui ont été bien déterminées euh, par euh, le texte coranique. Mm. Et c'est ce qu'a confirmé euh, Madame Mme Gallo. En fait, les textes sont clairs, mais c'est dans l'application qu'il y, qu'il y a des difficultés. Mm. au Niger, par exemple, vous le savez certainement, le régime juridique applicable non seulement aux personnes, mais également aux biens, surtout l'immobilier, puisque c'est de ça que l'on est, en train de parler ce soir, il est partagé entre le droit écrit et le droit coutumier. Mhm. Oui, justement, euh, nous allons revenir sur cette question euh, des juridictions dans la deuxième partie, le temps d'écouter euh, l'entretien que nous a accordé le pasteur Zakou. Il est membre du comité de dialogue intra et interreligieux du nous avons donc cherché à savoir comment la religion chrétienne recommande de faire le partage de la terre par héritage aux femmes. On l'écoute. À travers la Bible, nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de fois où il y a eu des partages d'héritage, notamment dans le livre de Josué, chapitre 17. Tout d'abord, ça part du principe de la foi, c'est-à-dire euh, le principe sur lequel l'homme et la femme sont égaux. Pour la foi chrétienne, il n'y a pas de différence entre les enfants. Les garçons, les filles sont au même pied d'égalité, ils sont égaux. Donc, dans le partage, il n'y a pas de différence. Les ont le même accès aux mêmes euh, parts d'héritage que les garçons. En ce sens, vraiment, il n'y a pas de difficulté. Quand le parent décède, il suffit tout simplement de voir le nombre d'enfants qu'il y a et puis on fait le partage équitablement parce que dans certaines religions nous avons vu que le garçon a deux parts et la fille a une part et dans d'autres cultures même c'est différent et dans d'autres euh, cultures aussi ça se fait selon la tradition mais selon la foi chrétienne vraiment c'est égaux et donc, comment ces biens sont partagés Est-ce que euh, ces parents par un testament La mort, souvent, elle vient sans préavis. Au cas où le papa a eu la présence d'esprit pour préparer un testament, Là, il n'y a pas de problème. Il écrit la part de chaque enfant, il écrit la part de la femme, selon en tout cas son désir. Et là, il n'y a pas d'ombre de problème, il n'y a pas de doute. Euh, on va donner effectivement selon ce qu'il a écrit. Voilà. Mais au cas où le parent meurt sans testament, alors dans ce cas-là, c'est ça que nous avons dit qu'il y a un partage égal, il n'y a pas de différence. Donc euh, là, on partage équitablement et au cas où là, il y a un problème si certains enfants ne veulent pas accepter. Donc euh, là, on peut se référer à la loi du, de la nation. les filles ont accès aux terres. Quand on dit partage égal, là, il n'y a pas de différence. Que ce soit le bien matériel, que ce soit le bien financier, que ce soit les terres, les filles ont accès à tous les biens de leur père. En tout cas, recevra sa part d'héritage. Maintenant, c'est à lui de faire ce qu'il veut de, cela. Euh, si c'est une fille, si elle n'a pas besoin de terre, elle peut vendre. Ou bien elle peut, en tout cas, elle fait de cela ce qu'elle veut, mais elle aura sa part d'héritage. Je reviens une fois de plus vers vous, Monsieur Bachir. Vous êtes toujours en ligne. Euh, justement, concernant les textes euh, qui régissent, euh, nous voulons savoir est-ce qu'ici au Niger, il existe des textes qui régissent l'accès de la femme au foncier par héritage Oui, en fait, il n'y a pas de texte spécifique dans l'accès de la femme à l'héritage. Mais je vous parlais tout à l'heure de l'organisation judiciaire. C'est la loi de 2004 euh, sur l'organisation des juridictions républiques qui, dans son article 63, prévoit que, euh, sous réserve du respect des conventions internationales et régulièrement ratifiées, et des textes sur l'ordre public et les libertés euh, fondamentales, mm. les juridictions doivent appliquer la coutume des parties sur tout ce qui concerne l'état des personnes et la possession immobilière, n'est-ce pas Alors, à partir de cet instant-là, lorsqu'il y a un problème qui concerne notamment la possession immobilière, eh bien, il faut appliquer la coutume ou les coutumes des parties en présence. Mhm. Maintenant, euh, en matière de succession également, puisque c'est l'état des personnes, il faut appliquer euh, les coutumes des parties. Mais attention, on a dit sous réserve donc du respect des conventions internationales. Mhm. Alors, les personnes qui ne veulent pas se faire appliquer la coutume, la loi l'a également prévu, peuvent se faire appliquer euh, le droit civil, donc le code civil que nous avons hérité donc, de la colonisation française. Ah, donc voilà le dispositif, si vous voulez, qui est applicable. Donc euh, d'une façon très schématique, le dispositif juridique, c'est quoi En matière de succession, donc d'accès à la propriété foncière ou euh, même mobilière, c'est premièrement euh, le code civil, donc la majorité de la colonisation, et ensuite les coutumes. Donc, mais il y a à côté euh, des coutumes l'application du droit islamique. Alors c'est par l'intermédiaire donc de l'application de ces coutumes que le droit islamique également a pu euh, s'imposer comme étant un droit autonome qui euh, s'applique par l'intermédiaire, je le rappelle encore, des coutumes, puisque nulle part, ni la Constitution, ni la loi n'ont prévu que le droit islamique s'applique c'est euh, l'intermédiaire des coutumes qui ont fait que le droit islamique s'est approché, de telle sorte que la, Cour suprême nigérienne euh, a, créé la notion de coutume germain ou de coutume assois islamisé ou de coutume peul euh, donc c'est dans ces coutumes que l'on regarde la manière dont s'acquiert la propriété foncière euh, des, des hommes et des femmes. Mais encore une fois, s'il ne faut appliquer que le droit islamique, eh bien, la femme a un euh, même égal accès, comme l'a dit euh, tout à l'heure, le pasteur, la femme a un égal accès à la terre. En fait, il y a un égal accès au bien, quelle que soit la nature de ce bien que ce soit du bien foncier ou du bien mobilier. Maintenant, il y a des fondements philosophiques qui font que maintenant le papa sera euh, différent selon que l'on est de telle ou telle coutume. Mais dans les traditions autres que les religions, là, on trouve des traditions dans lesquelles les femmes n'ont pas le droit euh, euh, aux fonciers ou même à certains biens, premièrement. Et deuxièmement, même euh, dans l'exemple qu'a donné le pasteur Zakou, je ne suis pas sûr que euh, les gens appliquent effectivement les, textes ou les, les révélations euh, d'ordre divin. Il y a beaucoup d'endroits où, chrétiens ou non chrétiens, animistes ou non animistes, ou même islamisés, où les gens n'appliquent pas les textes, où c'est la tradition carrément que les gens ont reçu de leurs ancêtres qui sont, euh, les gens Et au décès, de, au décès du mari, au décès du père ou de la mère, ben, ce sont les plus forts ben, qui s'accaparent de, de, tous les biens. Mm. Donc il faut faire la distinction entre euh, ce qui a été prescrit soit par la religion, soit par les textes, et ce qui se passe effectivement sur le terrain. Il faut que les gens comprennent, euh, comprennent cela. Mm, merci, M. Bachet. Nous allons revenir vers vous, le temps de donner la parole à M. Touré. Monsieur Touré, dites-nous, euh, si la femme n'est pas satisfaite du partage de l'héritage, est-ce que les principes de l'islam lui permettent euh, de faire recours à la justice euh, La justice, si vous voulez, parce que comme vous dites que vraiment, si le partage a été fait selon la coutume islamique, donc la femme doit s'adresser aux imams ou al-Khali et non à la justice. Parce que vous venez de ce que euh, le juge Bachir vient de dire. Donc, euh, c'est parfois ça s'est fait. Si maintenant on vous dit que vraiment vous êtes, vous êtes parti pour faire votre héritage au niveau de la société islamique, et que vous n'êtes pas satisfait, là, vous pouvez faire appel. Vous venez à la société islamique. Voilà ce qu'on vous a fait. Maintenant, si vraiment c'est fait d'une autre manière, que vraiment vous vous sentez lésé, vous pouvez faire appel. Mm. Parce que eh, il faut lire les choses si vraiment c'est le code civil ou si vraiment ce qu'on vient de dire, parce qu'à travers le truc, euh, eh, eh, le code germano, je sais pas, islamisé ou bien islamisé, là on pourra faire appel. Ça, c'est, ça, ça, appartient vraiment aux, imams comme Al-Khali, al vraiment des mais dire que vraiment la femme a la femme, la femme n'a pas été lésée en islam. Mais ce sont nos pratiques et ce sont nos mentalités et ce sont nos pensées qui le font. Mais la femme, elle, a le bel et bien le droit vraiment d'attaquer. Elle, elle a le, droit. Mm. Si elle n'est pas satisfaite, parce que ce qu'il faut dire, et eh, il est dit dans le Saint-Coran, parce que ce qu'on veut dire que vraiment, les femmes sont lésées, les femmes ne trouvent pas. Il est dit dans le Saint-Coran, qui amwal al-yatama zulman fi butunihim nara sa'ira. En vérité, ceux qui injustement mangent les biens des orphelins ne font qu'introduire du feu dans leur ventre, et ils seront voués au brasier. Partant de là, si tu vas appliquer euh, l'islam, et en même temps maintenant, pratiquer la tradition, parce que les gens font le deux, hein. maintenant on va dire, ah, mais c'est pas, quand, quand, tu, quand tu prends dans nos traditions, on dit, ah, et comme la femme, même une fois mariée, ça c'est pas l'islam. On dit, ah, comme vraiment elle sera toujours sous la charge de ses frères, de ses oncles, non, on peut vraiment confier le champ à ses frères. Mhm. Donc, ça, donc vraiment, ce n'est pas l'islam qui le dit. Mais les gens le font, et là, la femme peut attaquer. Si la femme a, la possibilité aujourd'hui de travailler son champ, ce que le... Mais il n'y a pas de problème. Mhm. Oui, je reviens vers vous, Madame Balkissa. Est-ce que vous avez des exemples, euh, des cas de femmes qui ont, euh, comment dirais-je, ayant obtenu des parts suivant les coutumes de la religion ou coutumière eh, eh, Bien sûr, quand il y a euh, un partage de succession, quand c'est fait au niveau de, l'association islamique, comme l'a dit le marabout, et que le partage est fait correctement et respecté, il n'y a aucune plainte. Mais par contre, quand euh, la femme ne reçoit pas sa part d'héritage comme ça se doit, effectivement, il nous arrive de recevoir des plaintes des femmes qui viennent demander que justice soit faite. Alors comment ça se passe On se réfère effectivement, soit ça a été fait au niveau, par exemple, de l'association islamique, on les réfère à l'association islamique pour que euh, ce partage soit repris, ou au niveau euh, des juridictions, pour que euh, le, partage soit repris. Quoique au niveau des juridictions, rares sont les cas, où en tout cas moi je n'en connais pas, où on vient nous dire que euh, le partage d'héritage a été fait et que euh, la personne n'a pas été satisfaite, sauf effectivement pour le cas où je vous ai dit tout à l'heure en fait c'est l'application de ce que dit le Coran qui pose problème même si euh, au niveau de l'association islamique, on fait le partage, on dit que la femme, elle a droit à ci, elle a droit à ça, généralement, surtout c'est dans les cas d'héritage, dans les cas de succession euh, de veuves, qu'on rencontre souvent les problèmes où les femmes reviennent dire que la famille du mari s'est accaparée de tous les biens et qu'on refuse de leur céder leur part sous prétexte effectivement que les fils peuvent s'occuper de ça, euh, de, leur part, ou que les frères du mari vont s'occuper de leurs enfants, alors qu'en réalité, ils ne le font pas. Mhm. Et donc, Monsieur Touré, vous êtes euh, de l'association islamique. Est-ce que vous recevez ces, ces genres de plaintes Oui, on reçoit ces genres de plaintes. Et il y, a des femmes qui viennent, qui nous préviennent automatiquement, comme vient dire euh, la, personne des juristes, des juristes, elle vient nous aussi, on interpelle. On dit non. Vraiment, il faut, on fait une convocation, on entend et on demande parfois où a été fait le partage. Si vraiment sur un autre niveau, on reprend, on reprend euh, notre vraiment fichier, on regarde, et là, là où la femme a été lésée, on va dire non aux parents, parce que comme elle vient de dire, c'est vrai, parfois, c'est, comme je dis, c'est pas l'islam, mais les gens le font, je sais pas, par plaisir. Mettre la femme de côté parfois, ah, ce sont vraiment euh, les frères vraiment du dauphin qui vont s'occuper de ceci, là. Parfois, il y a même des femmes qui sont, euh, je sais pas, dégagées ou mais exclues même du foyer. Mais quand elles le vers nous, on, lit ce que le Coran a dit. Mm. Parce que nul n'a le droit de s'accaparer du bien d'un orphelin. Et nul n'a le droit de s'accaparer du bien de quelqu'un. La femme, elle était l'épouse du, monsieur. Donc, on ne peut pas, en aucun cas, l'islam l'a interdit. Et tout celui qui se hasarde à le faire, il aura à rendre compte le jour de la résurrection. Si tu manges un centime, tu le rendras au jour de la résurrection. Oui, mais concrètement, comment ça se passe à l'association islamique Quelles sont les actions que vous menez pour mettre ces femmes-là dans leurs droits après déposition de plainte euh, Mais comme euh, nous, on n'est pas un pouvoir. Donc vraiment, il y a des juridictions. Une fois qu'on est saisi de l'affaire, on écrit, parfois on transmet directement au niveau, au, niveau de, la justice. Soit si vraiment c'est venir, parce que comme elle vient de dire, il y a des femmes qui vont à la justice. Et maintenant, la justice nous renvoie la femme en nous demandant de voir la situation. Nous, une fois qu'on finisse vraiment de régler, on fait une correspondance, on, envoie ça soit au procureur, ou bien soit vraiment à la justice qui nous a demandé. Et maintenant, c'est aux juges, maintenant, c'est vraiment aux autorités de faire rentrer la femme dans ses droits. Mhm. Merci, M. Touré. Euh, nous allons prendre euh, une fois de plus M. Bachir, il est en ligne. Vous venez là d'entendre euh, l'intervention de M. Touré et de Mme euh, oui. sur euh, l'exemple des cas de déposition de plainte. Alors, qu'est-ce que dit les juridictions, comment dirais-je, les tests juridiques concrètement après une déposition de plainte Oui. en fait, je voudrais, peut-être que ça ne plaira pas à mon, ami Touré, mais en réalité, les il n'y a que les juridictions étatiques qui sont habilitées à trancher les litiges, de quelque nature que ce soit. Et euh, la, la, traditionnelle, euh, qui, euh, dans l'époque avant la colonisation, avait un pouvoir de, juridiction, n'a plus ce pouvoir de juridiction, c'est même prévu par l'ordonnance de 43 sur la sécurité traditionnelle, modifiée par la loi de 2008 sur la sécurité traditionnelle. Ils n'ont plus qu'un pouvoir de conciliation. Ils ne peuvent pas trancher les litiges. Donc, ils font des conciliations et la conciliation est constatée par un procès verbal et maintenant on va devant le juge pour l'homologation ou lorsqu'il y a contestation maintenant, on va devant le juge qui, euh, euh, qui va reprendre l'affaire et faire un jugement. Quant à l'association islamique, c'est vrai que c'est dans la pratique que les gens, euh, vu le, qu'est-ce que j'allais dire, le, la religion musulmane des hommes. Donc, ils vont devant cette euh, association pour faire trancher les litiges en application donc, de la loi islamique. Mais les décisions qui, sont prises là-bas ne sont pas reconnues par les tribunaux, puisqu'ils n'ont pas euh, le pouvoir de trancher des litiges. C'est une pratique qui se fait, qui est intolérée. Et pour que ce soit appliqué par la juridiction, ça veut dire que même si un litige a été tranché au niveau de l'association, quand les gens viendront devant le, juge, eh bien, on peut reprendre. Euh, on peut reprendre ce qui a été fait là-bas. En tout cas, mm. dans les textes, euh, c'est comme ça. Maintenant, euh, c'est comme je, l'avais dit tout à l'heure, euh, ce n'est pas l'application des textes qui fait que les femmes n'ont pas accès aux fonciers ruraux. Il n'y a aucun texte, il n'y a aucun texte, je le répète encore, aucun texte nigérien qui interdit l'accès des femmes aux fonciers, que ce soit par l'achat ou l'acquisition ou par un gage une hypothèse quelconque ou que ce soit par la succession. Aucun texte ne l'interdit. Mhm. Mais c'est la pratique qui fait que, et cette pratique, est la pratique des coutumes ancestrales, des coutumes ancestrales qui ont été euh, parfaitement décrites d'ailleurs dans une thèse qui a été faite par un Nigérien euh, soutenu à l'Université de Strasbourg, M. Mahmoud Ardika, en 1985 euh, une thèse intitulée Le droit coutumier, droit et société au Niger, l'évolution du droit coutumier, il a parfaitement décrit euh, la possession immobilière euh, dans, les, dans les sociétés ancestrales avant la pénétration coloniale. Mm-hmm. C'était une possession collective, la terre n'appartenait pas de façon privée comme nous le connaissons aujourd'hui, c'était un bien collectif et il y avait un chef de terre qui donnait euh, des lopins de terre à cultiver au chefs de famille et à son décès, la terre revenait dans le bien collectif. Mm. Alors, ce sont ces pratiques ancestrales qui sont encore vivaces dans l'esprit des gens, et ce qui fait que les hommes n'arrivent pas à se démarquer donc de ces pratiques et à empêcher aux femmes euh, l'accès à la terre, puisque les, les chefs de famille, ce n'étaient pas les femmes, c'était les hommes. Mm. Donc, sont, ce sont ces représentations mentales, ce sont ces, des pratiques euh, qui sont encore vivantes dans, l'esprit, dans l'imaginaire des gens, qui font que eh ben, ils empêchent euh, l'accès des femmes à la terre. Hmm. Et devant les juridictions, une fois que cela vient devant les juridictions, bien sûr, euh, ces genres de décisions sont passées. Mais encore plus il que les femmes aient le courage d'aller devant le juge pour faire trancher l'État. cas. Lorsqu'on a organisé les états généraux de la justice en 2012, on a, traité euh, de façon incidente de ce problème-là lorsqu'il s'agissait de faire un trou en devant la, Cour suprême. Et euh, un des participants nous a appris que, par exemple, dans, une région de l'Est du Niger, les femmes, coutumièrement, on n'applique pas en application de l'islam, hein, mais coutumièrement n'avaient pas droit euh, à la terre. Mais elles ont commencé à résister et, excusez-moi le terme, on les On a on leur a reconnu maintenant le droit d'avoir l'accès à la terre. Donc il faut que les femmes résistent, qu'elles aient conscience qu'elles ont des droits hmm. et qu'il faut réclamer ces droits-là. Tant qu'elles ne le feront pas, eh bien, ben, ce sera comme la loi de la jeune, la loi du plus fort, et, et euh, ce sont les hommes qui vont s'accaparer de tout. Il faut qu'elles arrivent non seulement à connaître leurs droits, mais en plus à faire revendiquer l'application de, ces droits-là. Sinon, eh bien, euh, rien, ne se, rien ne se passera et la situation ne changera pas. En tout cas, en, milieu rural. Merci, monsieur. Alors, madame, Bach... Euh, Bachir, dites-nous concrètement comment les femmes euh, posent. Madame Diallo, comment les femmes posent concrètement le problème de leur accès à, la terre le problème qu'elle pose, c'est, comme euh, votre thème le dit, c'est quand il s'agit vraiment d'héritage que euh, les femmes en général euh, posent le problème qu'elles n'ont pas soit accès à la terre. y a le problème peut se poser également la femme, comme l'a souligné M. Bachir tout à l'heure. Aucune loi n'interdit à la femme d'avoir accès aux foncier que ce soit sur le plan de l'héritage, que ce soit sur le plan de l'achat, que ce soit sur le plan de la vente, si elle a un bien euh, foncier qu'elle le vende, on ne lui interdit pas de la vente. on ne lui interdit pas d'opérer un prêt, mais euh, généralement, les problèmes se posent surtout quand il y a un problème d'héritage. Quand la femme est en possession de sa terre, elle en fait ce qu'elle veut. Je ne pense pas qu'il y ait une opposition quelconque, qu'elle vende cette terre ou qu'elle mette ça en location ou, qu'elle mette ça en gage, etc. Mais euh, c'est quand il y a un problème d'héritage et que la femme est lésée par rapport au partage qui est fait, en ce moment, elle peut porter plainte. Mm-hmm. Donc, elle peut porter plainte quand elle sait où aller, porter plainte. Et c'est là où le problème se pose chez nous, c'est que les femmes ne savent pas qu'elles ont le droit de porter plainte quand elles sont lésées. Elles ignorent leurs droits. Nous allons donc marquer une pause avant de poursuivre ce forum. Comme vous l'avez si bien entendu, euh, la question des règles coutumières demeure la source de confusion et souvent de conflits dans le processus d'accès des femmes aux fonciers par héritage. Les femmes ont progressivement perdu l'accès à l'héritage avec l'application des coutumes ou coutumes islamisées. Alors, je reviens encore vers vous, Madame Diallo. Quelles sont les actions que les associations féminines mènent pour permettre aux femmes d'accéder librement aux terres les actions que nous menons, elles sont multiples. Mais surtout, euh, nous faisons beaucoup de sensibilisation euh, grâce à, l'appui de nos partenaires euh, financiers. On fait de la sensibilisation par rapport à l'accès des femmes aux fonciers et nous nous appuyons surtout sur la loi de 2004 dont a fait référence M. Bachir et euh, nous avons également le code rural qui a été euh, euh, pris par le Niger. Et dans ce code rural-là, nulle part il n'est dit que la femme n'a pas accès aux foncier. Et quand nous faisons nos sensibilisations, nous nous reportons toujours justement au texte du code rural pour expliquer que ce soit au niveau des femmes elles-mêmes, de leur entourage, c'est-à-dire les femmes, euh, les hommes avec lesquels elles vivent, et euh, pour qu'elles comprennent que effectivement elles ont droit à la terre, elles ont droit au foncier, elles peuvent hériter de la terre, elles peuvent, si elles sont euh, propriétaires terriennes, elles ont le droit de, les, utiliser mhm. comme bon leur semble. Alors, M. Euh, monsieur Bachir, vous êtes toujours au téléphone Oui, je suis toujours là. Hein. Euh, pour en finir, dites-nous comment venir à bout euh, de cette problématique foncière au Niger. Est-ce qu'il faudrait revoir les textes de loi pour permettre à la femme de bénéficier raisonnablement de la terre par héritage comme je l'avais souligné, tout à l'heure, en fait, les textes tels qu'ils sont, que ce soit le code civil, que ce soit la loi sur l'organisation judiciaire et même le code rural auquel a fait référence Mme Gallo tout à l'heure, euh, <coughs> qui n'est pas, le, seul texte, il y en a, d'autres, eh bien, aucun de ces textes ne fait obstacle à l'acquisition de la propriété immobilière euh, par la femme, et même euh, par, succession. Et comme l'a dit aussi Touré, les prescriptions, la prescription coranique est là, mais il suffit juste de l'appliquer. Le problème, ce n'est pas les textes le problème, ce n'est pas les textes, encore une fois, euh, je le répétais depuis le début de l'émission, c'est l'application euh, des textes au jour le jour. Mm-hmm. Il faut que dans l'application des textes, qu'il y ait euh, un minimum quand même de, bon sens, un minimum de, de à l'égard des, femmes. La femme, elle a droit à sa part d'héritage, et eh bien, elle aura droit à cette part d'héritage. Et lorsqu'elle n'a pas droit à cette part d'héritage, une fois que le partage a été fait, il faut qu'elle arrive maintenant à aller devant les juridictions porter plainte contre le partage qui a été fait contre ses droits. En mhm. ce moment-là, le juge, le juge sera obligé de casser la décision de partage et de faire le partage selon la prescription de la loi. Les textes, en tout cas, pour ce qui est de la succession de la femme à la terre, eh bien, il n'y a aucun problème. Euh, je rappelle même que la loi de 2004, par exemple, sur l'organisation judiciaire, dispose euh, dans son article 60, euh, je crois que c'est l'article 65, pardon, 60, 65, oui, qui dit que dans les affaires concernant le conseil rural, notamment la propriété ou la position immobilière coutumière et les droits qui en découlent, la propriété de champs, la propriété de champs ou de terrain non immatriculé ou non enregistré est acquis par l'exploitant après 30 années d'exploitation continue et régulière, sans contestation sérieuse ni paiement d'une dîme locative. Ça veut dire que, quelle que soit la personne, vous voyez, on ne fait pas de distinction entre l'homme et la femme. Donc tout celui qui a exploité un champ ou un terrain pendant 30 années consécutives, eh bien, la terre devient sienne. On a la même disposition dans, dans, dans le code rural et dans les autres textes où la propriété est acquise à la personne qui exploite de terrain pendant un certain nombre d'années sans qu'il n'y ait de contestation sérieuse. La même chose en cas de succession. Lorsqu'il y a une succession, on ne fait pas de distinction entre les garçons et les filles, entre les hommes et les femmes. Chacun a droit à la succession et quel que soit le bien laissé par la euh, personne qui est décédée. Donc ce n'est pas les textes qu'il faut modifier, c'est la mentalité des gens qu'il faut faire évoluer. Et comment faire évoluer la mentalité des gens C'est surtout au niveau des femmes, il faudrait faire des campagnes, des campagnes, des campagnes de sensibilisation, leur faire connaître leurs droits et les inciter, en cas de problème d'accès à la terre par l'association, eh bien d'aller devant, soit devant les juridictions, soit devant euh, les, institutions traditionnelles pour les conciliations et lorsqu'il y a problème, aller devant les juridictions. Il n'y a aucun juge, il n'y a aucun juge, je le répète encore une fois, qui refusera l'accès de la terre à la femme par voie de succession. En tout cas, aucun juge au Niger ne le fera. Merci, M. Bachir. Alors, M. Touré, dites-nous comment venir à bout de cette euh, problématique foncière au Niger. Voilà, euh, c'est très simple. Parce que ce que bon, euh, vient dire M. Bachir et Mme Diallo, il faudra voir à ses dents au moins l'exploitation vraiment de ces terrains. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, si quelle est la femme qui peut cultiver 3 à 4, 5 hectares. Parfois, c'est raison pour laquelle quand on donne au, eh, la femme eh, à son terrain, mais le terrain est confié aux hommes. Parce qu'aujourd'hui, même si on prend un exemple, quand la, femme a son terrain et qu'elle a besoin des serpents, c'est fini. Elle va laisser. Bon, voilà, il y a tous, ces paramètres. il y a plusieurs paramètres eh, qui font que vraiment, la femme, parfois, on dit non, il faut confier euh, le terrain à ses frères. Vous, savez très bien, même dans, dans, la pratique, au vivant même de, la, de, de, de ce sont les frères qui cultivent, même la femme étant mariée, qui prennent un peu pour la donner. Ça veut dire que même étant mariée, la femme est prise en, toujours en charge par ses parents. Les hommes parfois on dit que non, on peut confier, mais ça ne veut pas dire cela ne veut pas dire que vraiment la femme n'a pas le droit d'avoir son propre terrain. Je l'ai dit, si vraiment elle a la possibilité de cultiver, il n'y a pas de problème. Si elle a passé les gens, parfois on, craint parce que les fables sont tellement généreuses, elles peuvent prendre ce terrain et le donner à leur mari, qui finira par vendre ça sans le consentement de sa femme. Et bon, parfois aussi, ça aussi, ça, ça vexe vraiment les parents. Nous avons dit non, il faut mettre vraiment ce terrain-là entre les mains de ses frères. Mais maintenant, pour venir à bout, moi je pense que c'est très simple, il faut sensibiliser. Sensibiliser qui Sensibiliser et vraiment les parents et les femmes. Comment vraiment détenir le terrain On a dit, Madame Diallo l'a dit, les femmes, parfois c'est par méconnaissance de leurs droits, que vraiment ces genre de problèmes se posent. Quand on veut l'héritage, eux comme me donne mon papier, en et du forme, moi je pense que vraiment il n'y aura pas de problème. Mais eh, autant vraiment dans le, dans le bas fond de nos villages, les femmes ne connaissent pas leurs droits. Enfin, on dit que bon, ça appartient à la femme, mais ça est dans la main vraiment du, euh, du, frère ou de l'oncle, mais c'est là. De raison pour je pense eh, faut tout simplement sensibiliser les femmes, sensibiliser nos, nos, si vraiment est, eh, eh, là, eh, ce que la femme doit en avoir. Mm. Et non se limiter seulement pour dire que. Parce qu'on peut dire, ah non, on peut demander l'avis du marabout. Est-ce que ses, ses, frères, est-ce qu'on peut ils peuvent dire oui, ils peuvent vraiment, je sais pas, s'occuper du terrain. Mais il faudra que vraiment qu'ils mettent l'accent que vraiment la femme a bel et bien le terrain et elle peut le vendre, elle peut vraiment l'exploiter de la manière dont elle veut. Mhm. Donc, avec cette, sensibilisation, nous pouvons venir à bout de ce problème. Parce que vraiment, maintenant, surtout comme vous le connaissez, avec vraiment euh, euh, cette crise alimentaire, si on laisse les terrains là aussi comme ça, donc vraiment, qui va cultiver et si les hommes ne sont pas là pour cultiver, <laughs> la femme n'aura pas le temps vraiment de le faire. Madame Bachir, donc la même question pour vous. Comment venir à bout de cette euh, problématique du foncier au Excusez, je vous reprends. Ce n'est pas Madame Bachir, c'est Madame, Madame Diallo. Voilà. Bon, on en revient donc euh, au sujet. Euh, comme ils ont eu à lui dire, vous leur avez donné la primeur en tant qu'homme pour qu'ils parlent. Je parle un dernier. Donc, au risque de nous répéter, parce que c'est ce qu'ils ont dit, c'est ce que je risque de dire également, pour euh, solutionner le problème de l'accès de la femme au foncier par héritage, effectivement, il faut mener beaucoup de campagnes de sensibilisation. Ce que je vous ai dit, c'est ce que nous, nous faisons au niveau de l'Association des femmes juristes euh, du Niger. Même tout dernièrement, en 2016, on a eu à faire euh, une euh, activité qui concerne trois départements de la région de Tilabiri des départements de Tilabiri même, Walam et Saï, on a eu à mener des campagnes de sensibilisation par rapport justement à l'accès des femmes aux fonciers et nous nous sommes rendus compte que si beaucoup ignorent euh, l'accès de la femme aux fonciers, il y a quand même eu un progrès euh, qui a été fait par rapport au passé. Avec euh, l'aide euh, des, des, des COFODEP, COFOCOM, etc., les comités euh, foncières qui s'occupent vraiment du problème du foncier sur le terrain même je crois qu'il euh, il y a eu beaucoup de, de, de, de, problèmes qui ont pu être résolus parce que quand il y a des problèmes, souvent en ce qui concerne l'accès au foncier, les populations ils font appel, ils vont vers les, comités euh, de, leur euh, département ou de leur commune et ils ont euh, des explications et on leur dit quelles sont les procédures à prendre par exemple pour une vente, pour, pour mettre un viager, etc., etc. Donc il y a eu beaucoup de progrès par rapport au passé. Mm-hmm. Mais je sais que les femmes ont accès au foncier beaucoup plus que par le passé. Vous avez quelque chose à ajouter Oui, donc, euh, madame, comme vous le savez, si vraiment euh, on est pour vous, mais vraiment, il faudra, lors de vos sensibilisations, il faudra, si possible, vous faire accompagner par quelques marabouts. Mm-hmm. pourquoi je le dis Parce que vraiment, c'est très important, surtout que nous avons une communauté fortement islamisée et là, on ne dira pas que vraiment, c'est les textes vraiment euh, euh, hein, euh, occidentaux, mais ils vont dire que vraiment, vous êtes en train de lire les textes qui vont avec l'islam. Et là, les gens prendront vraiment et puis ils seront d'accord. Alors, cher, oui, vous dites Pour vous tranquilliser, c'est pour vous dire que nous ne faisons pas nos sensibilisations sans faire appel justement aux marabouts alors, euh, chers auditeurs, auditrices, euh, un seul mot tourne autour euh, de cette question de l'accès aux femmes, des femmes aux fonciers par héritage. La sensibilisation, avec un peu plus de sensibilisation, ces femmes pourront accéder librement et facilement aux fonciers par héritage. Et ainsi prend fin ce forum du studio Kalangu. Nos remerciements vont à nos invités, Monsieur Touré, qui est membre de l'Association islamique du Niger. Merci Merci d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation autant pour moi. Monsieur Bachir Telfi, il est juriste. Il était également au bout du fil. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Et aussi, Madame Diallo Balkissa, merci également à vous. À demain 18h15 pour un autre forum du studio Kalangu. À la présentation, c'était Nefissa Adam Sirfo. La réalisation était assurée par Bouba Diallo et la technique à Seni Isaka. Bonne rupture à tous ceux qui nous écoutent.